الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أهل لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. Dan Allah Subhanahu wa taala kita tak accomplissent au quotidien sont agréés par Allah. Notre religion nous a donné les moyens de savoir si nos œuvres sont susceptibles d'être agréées ou pas. Pour cela, deux conditions doivent être remplies. La sincérité dans l'accomplissement de l'œuvre et la conformité de l'œuvre aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au sujet de la première condition, le prophète sallallahu alayhi wa nous rappelle dans, des hadiths authentiques que les actes ne valent que par les intentions et par les intentions qui les accompagnent. Chacun sera récompensé en fonction des, intentions qui l'ont animé au moment de l'accomplissement de son mieux Ainsi, nous devons orienter nos yeux dans la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu la ta'ala la conformité, notre prophète Mohammed nous rappelle encore que toute œuvre d'adoration que nous accomplissons doit s'appuyer sur les enseignements, doit s'appuyer sur ces enseignements. Dans un a authentique, il dit quiconque ajoute quelque chose dans cette religion qui n'est pas été enseignée, cette chose sera rejetée. Ceci étant dit, notre ennemi commun, Satan, est bien informé de l'importance de ces deux conditions. C'est pourquoi son premier souci, lorsqu'un musulman veut accomplir une œuvre d'adoration, c'est de, réussir à détourner son intention. Il cherche par tous les moyens à nous amener à accomplir nos œuvres, soit pour la gloire, soit pour recevoir les félicitations de nos semblables. En à nous amener à accomplir l'œuvre d'une autre manière que celle qui nous a été enseignée par le professeur sallallahu alayhi ou à nous amener à dilater nos énergies dans les œuvres dont le professeur sallallahu ne nous a pas enseignées. Ces œuvres d'adoration sans fondement religieux sont appelées bid'ah, c'est-à-dire des innovations. Et dans notre religion, toute innovation est également Selon un hadith authentique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dangerosité des innovations tient à leur subtilité. Le serviteur pourrait un acte détesté par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il croit au contraire être agréé. Mais celui qui commet être péché est plus fort à se répandir car il sait que son acte est condamné. Sachons donc que la, la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait partie des innovations. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas enseigné, ses fidèles compagnons et les quatre califes ne l'ont pas accompli, les quatre grands imams de référence de l'islam ne l'ont pas recommandé ni appliqué. Comment comprendre aujourd'hui que certaines personnes trouvent dans les mêmes textes révélés au prophète par compagnons et les quatre images de l'islam des preuves de célébration de la naissance du prophète sallallahu parler wa sallam. Au cours des dernières semaines, une circulaire des États, état, de états savants de l'Arabie saoudite aurait dit que le royaume reconnaît, euh, la validité du Mangou. à célébrer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes ont trouvé en cette circulaire une légitimation de leur pratique. Malheureusement ou heureusement, ce savant en question a fait sortir une communauté pour démentir cette information. Il n'était qu'un montage des adeptes de cette innovation. Là-dedans, il a fait que si Maouloud n'a pas été une pratique religieuse autant temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autant des trois siècles d'or de l'islam, jamais au grand jamais, elle sera une pratique reconnue par l'islam jusqu'à la fin des temps. Il convient de rappeler qu'en islam, quelqu'un qu'un pays ou un savant ou une organisation reconnaît une pratique quelconque ne fait pas de celle-ci un nom dans notre religion. J'invite la modeste personne ainsi que vous à faire l'effort de rechercher la science religieuse et d'éviter le civisme aveugle, chose qui nous conduirait dans les regrets irréparables et dans le زمان ومكان اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل زمان ومكان اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين في كل زمان ومكان اللهم وفقنا لاقتتال اثر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لاقتتال اثر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا للسير على هدي والتمسك بسنته انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب